Fidèle auditeur, auditrice du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver euh, dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 11 septembre 2023. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être de notre. Je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Seno, comment vas-tu Je vais bien, merci. Alors super, c'est nous, nous allons aussi saluer ceux qui sont de l'autre côté de la vitre à la technique. Nous avons Issa Lawali et à l'édition Fanta Shamsou et Kadija Isaka. Alors c'est nous, quel est le menu du jour Aujourd'hui Mariam, nous avons comme d'habitude concocté un menu captivant qui ne, manquera, qui ne manquera point euh, nos auditeurs actuellement scotchés. Nous débutons avec le flash d'informations percutant suivi d'un cocktail musical envoûtant mettant en avant la musique nigérienne. Ensuite, nous aurons une une séance passionnante du loti avec le desk femme du studio Kalangu suivi par des informations sportives passionnantes de notre chroniqueur du jour, Soumana Amadou, sans oublier la culture linguistique bien sûr. Toujours à c'est nous dans la rubrique invité du jour, nous recevons la Sissi, alias Salas, les parolier, artiste, slammer et écrivain. Avec lui, nous allons parler de sa carrière. Sans trop tarder, je vous propose de suivre les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam. Alors pour ce matin, <clears throat> un séisme d'une magnitude de 7 degrés Survenu de la nuit du vendredi au samedi au Maroc a fait 2122 morts et 2421 blessés selon un nouveau bilan rendu public hier par le ministère de l'Intérieur. Plus de la moitié des morts ont été recensés dans les provinces d'Al-Haouz et de Taroudan, deux zones rurales montagneuses au cœur du Haut Atlas. Rabat a décrété samedi un deuil national de trois jours a annoncé le cabinet royal dans un communiqué publié samedi par Maghreb Arab presse, l'agence de presse officielle. Ensuite, l'Association des ambassadeurs et consuls généraux du Niger à la retraite ont rendu public un communiqué hier relatif à la situation sociopolitique du Niger. Dans ce communiqué, l'ACNIR condamne les sanctions de la CDAO et l'intervention militaire qu'elle envisage contre le Niger et demande leur retrait immédiat dans l'intérêt bien compris du peuple nigérien en particulier et des peuples des États de la CDAO en général. Au demeurant, poursuit le communiqué, ces mesures sont dénuées de tout fondement légal en droit communautaire comme en droit international, rapporte le communiqué. Fermeture d'écoles au Sahel en Hausa en raison de l'insécurité. En effet, la recrudescence de la violence au, Sahel, Burkina Faso, Niger et Mali a entraîné la fermeture de près de 7800 écoles primaires, ce qui correspond à une hausse de 20% au cours de l'année écoulée, a annoncé dans un communiqué publié vendredi 8 septembre 2023 l'ONG internationale Save the Children. En conséquence, à la fin du mois de juin 2023, environ 1,4 million d'enfants n'avaient pas accès à l'éducation et aux compétences dont ils auront besoin pour contribuer pleinement à leur communauté en tant qu'adultes. À la même période de l'année dernière, environ 6 400 écoles primaires avaient été fermées, ce qui avait affecté environ 1,2 million d'enfants. Merci, infiniment, Rafika. pour euh, toutes ces informations. Cher euh, chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui comme invité la Lassisi, alias le parolier. Il sera là dans quelques instants. Avant de le prendre, nous allons écouter euh, d'abord ensemble la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit de cette belle mélodie adoucissante, voilà, excusez-moi, de MC Flow en compagnie de la talentueuse, artiste, interprète et artiste, actrice nigérienne Momi Niger. Amerika Nga hawa bisaisha Amerika Nga nura mataisha aljana Aiga gari kwa imirka jingar maka Aibaka I love you amarilla y en la mente me zampó Ana Sarra Voilà, dans cette chanson, euh, Ayhundo Al-Malaika de MC Flo, euh, qui magnifie hein, sa bien-aimée qu'il qualifie euh, d'ange de son âme, en d'autres termes, sa raison de vivre. Ce sont des paroles du nord du Mali, proche du Niger, un mélange de la langue Souraï et de zarma. Voilà, on les appelle affectueusement les Gaoboré. Voilà, c'était là le premier titre de notre sélection musicale, chers auditeurs, tout en espérant que vous avez aimé. La Sissi, nous sommes à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, vous pouvez faire un petit test pour dire bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent. Oubliez vos téléphones et réseaux sociaux et allumez vos cerveaux. À présent, c'est sans cadeau. L'intellect a pris la fuite. Les nuls occupent la place. La bonne foi a disparu. Le business est en tout. Le sexe n'est plus tabou. L'alcool maintenant c'est de l'eau. Le silence des avertis. La peur des nobles. La négligence des bons gens. L'inaction des mauvais. La merde inonde le monde. Des bêtisiers qui abusent du mot immaturité. De l'ombre vaut mieux que de longues études. La tricherie, la corruption, la morale a pris la fuite. Les honnêtes dans la chute. Mon Afrique se trouve en cirque. Des mythos, des intellos, des gigolos. Les vides nous guident, l'éthique nous pique. L'avenir est flou. Le présent est plein de trous. le passé n'a plus de goût. De toute façon, on reste debout et on ira jusqu'au bout. Putain, c'est la revanche des cancres. <laughs> Merci la pour euh, bonjour à nos auditeurs. Alors, euh, pouvez-vous nous raconter comment avez-vous découvert l'islam et ce qui vous a poussé à devenir un artiste slammer bah, J'ai découvert l'islam à la télé avec Jonel le slammer. Il passait ces jours-là. Mhm. Et dès que j'ai vu ce qu'il faisait, il présentait Niamey la cour commune. <laughs> Alors je me suis dit, mais attends, ce mec fait ce que je sais faire le plus au monde dire de manière extraordinaire des choses ordinaires. Ah voilà, je vais me lancer. Et après, slam m'a dragué, je l'ai embrassé et voilà où nous en sommes. <laughs> Alors, la Sissi, euh, le slam est souvent euh, associé à l'expression personnelle et aux émotions. Comment trouvez-vous l'inspiration pour vos textes bah, j'ai toujours dit que d'où je suis né, on ne peut pas manquer d'inspiration. Je suis né entre les deux plus grands marchés du Niger, mhm. de Niamey si vous voulez. <laughs> C'est pas facile de manquer mhm. d'inspiration. De, Il s'agit concrètement de quel quartier <laughs> J'ai cela ma liberté, comme l'indique les noms de mon quartier. Ah, d'accord, liberté. Donc, tu ne peux pas <laughs> être du quartier liberté. tu vois, y a, tout, chaque minute que Dieu fait, mhm. il y a une actualité. Chaque minute que Dieu fait, il y a une réalité. Tu vois, l'inspiration, pour vous dire que ça vient du quotidien, ça me vient de partout. Et vous êtes aussi un écrivain, parce que euh, j'ai l'habitude de lire euh, quelques recueils que vous avez publiés, n'est-ce pas Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Est-ce que l'inspiration aussi euh, de votre plume d'écrivain, est-ce que ça vient de ces deux coins ou bien de ces... je sais pas, de ce quartier dont tu appelles Liberté Oui, en quelque sorte, sauf que cette fois-ci, euh, quand je devenais artiste officiellement, mhm. je me suis fixé une mission. J'ai des enfants à éduquer mhm. et des adultes à réveiller. Je suis pas le type d'artiste qui vous dit, bah écoute, éduquez vos enfants, nous on va faire ce qu'on veut pour gagner de l'argent et tout. Mhm. Non, non. Je suis le genre qu'on lira même après ma mort, on dira que ah, le monsieur là, que Dieu le bénisse. Je pense que ça me suffira. Alors, la plume de l'écrivain, ça part du fait que je dois éduquer. Et pour éduquer, le socle de l'éducation, c'est à la maison. Aujourd'hui, votre façon de vous comporter à mon égard, ce n'est pas à l'école que vous l'avez apprise. C'est à la maison. À l'école, vous n'avez appliqué l'instruction. Et voilà, aujourd'hui, on est en paix alors qu'on ne s'est jamais vu peut-être. Vous voyez Alors pour moi, c'est important de mettre l'accent sur la femme déjà. Mhm. Et pour avoir la femme, il faut passer par son enfant. J'ai appris à conquérir les enfants mhm. pour avoir les femmes. Parce que les papas disent rarement non au mamans. Donc là, vous avez la famille. Ah bon Quand l'enfant est bien éduqué, oui, oui, oui, je suis un père de famille, je sais de quoi je parle. Donc, quand, quand l'éducation est bien à la maison, c'est plus facile de développer une nation. Mhm. Voilà comment je vois les choses. Je sais que vous allez me dire que pour développer une nation, il faut partager du riz aux gens, il faut nourrir les affamés et tout. Mhm. <laughs> Mais écoutez, quand les gens sont mal éduqués, la société ne sera que pervertie. Ok. Alors, avant de continuer, marquons une euh, petite pause euh, musicale. Et cette fois-ci, nous plongeons dans le Bollywood nigérien avec euh, cette chanson qui fait le tour du monde de l'Arewa. Et sur les réseaux sociaux, c'est le titre Ya Ensa Ido, voilà. de l'artiste de la <laughs> ubar jahiltar harka ta rabba da addu'ar iyaye muka takama su suka ce Allah kiyaye Et oui, voilà son nom à l'état civil, c'est Yahya Mohamed. Il chante depuis bientôt 5 ans. Euh, nous a confié être passionné hein, de musique depuis son plus jeune âge. Il est acteur, interprète et chanteur. Il a commencé d'abord en suivant tout simplement les artistes avant d'être un. Il chante pour éduquer, distraire et parler de la vie sociale. Pour le jeune chanteur, la chanson est un atout car il en a fait un métier. Car il en a fait un métier, voilà, <laughs> excusez. <laughs> C'était là le titre Insaïdo de l'artiste la de FIA. Poursuivons nos échanges avec la Sissi. Alors, euh, la Sissi, dites-nous quelles sont les thématiques ou les sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous. Euh, euh, je parle souvent, je parle de la jeunesse. Mhm. Moi, je suis dans un style de révolution que qui est très particulier, que j'appelle révolution sexy. Euh, sexy parce que je n'insulte pas les gens, j'ai pas à être grossier et j'ai pas à vous crier dessus. J'ai une belle manière de vous dire voilà comment il faut changer les choses. Et mm. Dieu merci, ceux qui m'écoutent s'adaptent à, tout moment. Et surtout le comportemental. Mm. Donc il y a la jeunesse, il y a la développer le développement autant pour moi, mm-hmm. il y a la paix. Je parle de paix, mm-hmm. euh, je parle des enfants, je parle de la femme, et quand il faut dénoncer, je le fais à ma manière aussi. Pas forcément comme le font tout le monde. Parce que pour faire, <laughs> si je dois faire comme tout le monde, c'est que ce n'est plus las. Donc j'ai une manière à ma. J'ai une façon propre à moi de faire les choses et je le fais bien, je pense. Ok, super. Alors, euh, on va revenir un peu sur euh, les œuvres que tu as eu à publier, et à éditer, autant pour moi. Je ne sais pas, vous avez déjà combien euh, d'œuvres que vous avez éditées Bon, sur le marché, là, pour l'instant, il n'y a que le déclic. Le déclic. Oui, oui, les autres ne sont pas encore euh, édités. Mhm. Ça suit déjà un ordre. Et le déclic est sur le marché depuis quoi 2021. Ok. Et ça, se passe comment Est-ce que euh, euh, le, public, est-ce que vous avez eu des retours et tout ça on aimerait en savoir plus. Oui, au fait, je n'ai eu que des retours positifs. Ok. Et souvent, ça m'inquiète parce que je suis moins critiqué, je suis moins insulté et vilipendé. Mhm. Du coup, quand ça ne critique pas, souvent, je suis gêné. Mais c'est ça en même temps qui manque. Je n'ai pas encore reçu de, de retours négatifs par rapport au déclic. Tous ceux qui ont lu ont aimé. Mhm. Et ceux qui n'ont pas encore lu vont certainement aimer. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'artiste islamère euh, Mon parcours, <laughs> là c'est un peu long hein, parce que je suis slammer maintenant, ça fait quoi 2012-13. Donc c'est vraiment longtemps. Je vais juste aller brièvement. voilà, j'ai mes petits trophées à moi. Je suis lauréat meilleur formateur en slam à l'occasion d'un concours euh, organisé par euh, le CCA mhm. avec la presse. le CCA, euh, Centre... Centre culturel américain. Ok. Et je suis sorti deuxième d'un autre concours organisé par Oxfam et AJFSR. Mhm. Euh, je suis nominé, j'ai été nominé, si vous voulez, aux Awards Thermamoum célébrons nos étoiles, mhm. euh, toutes les deux premières éditions. Et voilà, je suis sur un projet d'album que je suis en train de nourrir. Mhm. Le projet est prêt. C'est juste la prod qui traîne, qui traîne juste un peu, mais ça aussi, ça va aller. Juste pour vous dire que j'ai un parcours vraiment bateau, mais <laughs> je préfère le ramener. Ça c'est voit, ça, ça voit. Alors, quels ont été vos moments forts ou vos défis Waouh, l'un des moments les plus forts, c'est. J'ai vu des gens citer mes textes. J'ai été très, très, très content. Mhm. D'ailleurs, entre parenthèses, une fois, une demoiselle a cité mon propre texte pour me draguer. <laughs> ouais, j'ai aimé. Euh, sauf que j'étais sur le point de me marier. Je lui ai dit, franchement, c'est bon, c'est touchant. Euh, je t'aime aussi, mais euh, déjà, tu vois, il fallait trouver, tu vois. Et j'ai aimé aussi. Un ami s'est marié récemment. D'ailleurs, tu étais là. Et j'étais très content quand il a dit deux vers mhm. de mes textes pour avouer son amour à sa femme. J'ai dit, ah, Dieu merci, je contribue vraiment à la positivité de la société. Ça, c'est un moment fort. Maintenant, s'il faut parler de l'autre moment, c'est du fait que je suis artiste nigérien au Niger. Mhm. ça, ça, ça, choque un peu parce que nous sommes dans un pays où la culture est réduite au divertissement. Du coup, un artiste qui sensibilise et tout, euh, c'est pas facile de se faire connaître et tout. Mhm. on continue de mener le combat, voilà, parce que c'est par conviction en réalité. C'est par conviction. Alors, comment le slam a-t-il influencé votre vie en dehors de la scène artistique c'est que, c'est que facilement aujourd'hui, même quand je parle, on me que je slame. Hmm. Euh, pourtant, moi, c'est que je fais la différence entre ma façon d'eslamer et ma <laughs> façon de parler naturellement. Et ça fait aussi que je ne peux plus faire cinq phrases dans une autre langue sans parler le français. Hmm. Tout ça, c'est du slam. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que ma personne est, vendue. La sérénité que j'incarne. C'est pas quelque chose que j'ai voulu, ça, c'est l'œuvre de mes parents. Ils m'ont modélé à cette façon-là. Aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ces cadres, mais je ne peux pas. Parce que c'est la meilleure manière d'être, je pense. Je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts à moi. Mais ce qui, ce qui me tient vraiment, c'est le côté positif qui est en moi. Je reste serein, quel que soit ce qui arrive, en fait. Vous avez fait également euh, l'école coranique euh, Exactement. en <laughs> fait, pour ça, euh, ma mère voulait que je sois imam si vous voulez. <laughs> Oui, jusque-là, euh, Je tiens à son rêve aussi. D'accord. Et aujourd'hui, je suis la mère aussi pour un peu concilier sa volonté mhm. à la mienne. Moi, je suis fasciné par le hip-hop, mhm. la culture afro-américaine. Jusqu'à demain, j'en suis fan. Mhm. Bon, puisque je peux pas chanter la pagaille, excusez-moi, je vais dire, je vais pas, je peux pas faire du bruit, quoi. Donc, il fallait euh, partir dans ce sens-là qui cadre un peu où je peux séparer, vous voyez mhm. Parce que l'islam, vous avez la possibilité d'aller dans les haram mhm. tout comme vous pouvez rester dans le halal. En tant qu'artiste islamère, quel rôle pensez-vous jouer de la société et quel message souhaitez-vous transmettre à votre public euh, le, rôle, le rôle, je l'ai déjà affirmé. Sauf que ma mhm. particularité, il n'y a pas que l'islam, il y a mon attitude. J'ai compris que je suis très intéressé par les enfants, parce que c'est vraiment ça l'avenir. Et je suis très suivi et aimé par les enfants. Les mères n'en parlons pas. Tu vois Et ce qui fait que je suis obligé de bien me comporter en société. Après, quand les Sénons et moi, on va se prendre officieusement, voilà, on va se faire nos choses si vous voulez. Mais publiquement, je suis obligé d'inculquer à ces enfants-là qu'il faut être bien. Et j'aime bien, parce que j'ai la chair de poule quand des, des jeunes m'écrivent Waouh, grand frère, tu es notre grand idole le plus grand idole. Je me vois, je me regarde. Idole, mana. je ne me vois pas un idole. Ça fait peur, au fait. Imagine qu'on dise un tel, c'est ton idole, et puis c'est lui qui déconne. Donc, mon rôle dans la société, c'est de la construire. Mhm. Et c'est ce que je fais. J'apporte ma pierre à l'édifice. Ok, alors euh, vous avez bien évidemment parlé de quelques projets. Ça, c'était euh, plutôt concernant euh, vos... le déclic. Voilà, le déclic. Et hum, alors, pour le slam, Hmm? pour l'islam, avez-vous des projets ou des performances à venir dont vous souhaiteriez parler Alors pour l'islam, j'ai toujours des projets comme tout le monde, mais le plus grand de mes projets de chaque instance a toujours été la mort. La mort a toujours été. Alors, je peux, parce que je peux ne pas me lever ici, peut-être que c'est la, c'est la fin de mes paroles ici. Du coup, je vis en fonction de ça. Maintenant, pour parler des projets euh, à vrai terme, du, au terme du sens dont vous venez de l'évoquer, j'ai un album qui arrive, je l'ai appelé Horizon Blanc. Horizon Blanc, après, peut-être que vous aurez une émission sur ça et tout. Ok. Et Horizon Blanc, c'est un album qui fera les tours, un peu le tour du monde. Hein. Mhm. J'avais déjà commencé par faire Abidjan, euh, jusqu'à ce que nous soyons dans cette situation actuelle, que j'ai pris le bon Dieu qui qu'on s'en sorte positivement. Donc après, ça va continuer. Et comme je l'ai dit, c'est juste la production qui traîne un peu. Mhm. Et ça, c'est un peu par défaut de moyens. Mhm. Voilà, mais ça On peut avoir un avant-goût de, horizon. Horizon blanc. Blanc. <laughs> Le saviez-vous La population du monde a augmenté. Ma fille est née est née. On m'a dit de la nommer par amour, j'ai dit de l'appeler Nour qui veut dire lumière en arabe. Que son nom doit avoir un rapport avec mon, mon âme, j'ai dit de l'appeler Mariam. Soit le nom de mon premier amour sur terre. Ça veut dire lumière sur Mariam. Bref, Nour Mariam, juste pour dire lumière sur ma mère. Parce que maman mérite mieux pour toutes ces nuits blanches sans salaire, ce sacrifice hors pair, sa douleur pour ma douceur, maman mérite mieux. She's the only one I have, I love, I need, I kiss, I miss, I cherish, I never meant to hurt. Maman mérite mieux. Ana maka zancen kana kamal babu kamaka. Haba mala. wane Nya mantifala, nya mantifore, hagoi de nyami mais on applaudit, on applaudit Mariam, on applaudit <laughs> euh, la ah Sissi pour, ses... <laughs> <laughs> Hein? pour beaux textes. Alors, enfin, parce qu'on arrive euh, au terme de, de, temps qui nous a oh, été imparti pour euh, nos échanges avec vous. Donc, pour ceux qui aimeraient hein, se lancer dans le slam, avez-vous des conseils ou des astuces à partager avec eux C'est bon, ok. Euh, astuces et conseils. En fait, je conseille rarement. Euh, je parle rarement de conseils, à part ce que je fais dans les textes. Mhm. Euh, quand vous venez me dire que vous voulez déconner, je peux vous dire vas-y, déconne. La société te dira ne le fais pas s'il le faut et le temps te parlera. Donc je peux dire à ces gens-là, si tu le fais par conviction, tant que c'est du slam, <laughs> tu vas être fort. Hein? Partout dans le monde, le slam, il faut être fort. Et au Niger, c'est très particulier. Maintenant, si c'est pour euh, draguer les petites. Oui, ça va aussi parce que le slammer, il est éloquent, il a les mots. Là aussi, ton objectif peut être atteint. Ça dépend de pourquoi tu te lances. Tu veux construire une société, alors tu le fais. Moi, la meilleure manière de conseiller les gens, c'est mon comportement à moi. C'est pourquoi j'y fais vraiment attention. Je suis très serein dans ce que je fais. C'est pas que pour moi parce que j'ai compris que je ne vis pas que pour moi. Mhm coup, voilà. Merci infiniment, la Sissi, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons bon vent dans votre carrière artistique. Excellente journée à vous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Mariam, nous sommes lundi, nous allons parler justice. Exactement, c'est nous, la rubrique hebdomadaire justice de ce lundi porte sur les côtes miniers. Sur le territoire de la République du Niger, la prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du Code minier incluant les textes et les lois. Amadou Adamou, juriste au ministère des Mines, explique au micro de Rafika Taher. Le Code minier au Niger, c'est la loi 2023-03 du 9 mai 2023, modifiant et complétant la loi 2022 qui régit les activités minières en République du Niger. Donc le code minier a pour vocation de régir les activités minières, les opérations minières à la République du donc de la prospection jusqu'à la fermeture de la mine. C'est cette loi qui est la matière en réalité. Le code minier de 2022 a, est le fruit d'un long processus qui a commencé avec la modification de la loi 2006 et les ordonnances qui, portent euh, sur la matière. Donc ce n'est qu'en euh, en 2022 que la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et cette même loi a eu à être modifiée euh, en mai 2023. Qu'est-ce qui justifie la modification de la loi minière Ce qui a justifié euh, la modification de cette loi, donc au niveau national, donc on a constaté que l'industrie euh, minière est principalement dominée par la recherche et l'exploitation de l'uranium et accessoirement par celle du charbon. Donc avec la chute des coûts de l'uranium sur le marché international, la contribution du secteur minier à l'économie nationale se situe à un niveau relativement faible, malgré un potentiel certain. Donc, un autre facteur également ayant contribué à la modification, c'est l'enclavement du pays et l'insuffisance d'infrastructures géologiques de base et de transport. Donc, conjugué à l'absence d'une politique minière apte à favoriser la mise en valeur des ressources minérales du pays, ont été les principaux facteurs ayant retardé le développement du secteur de plus, le Niger se trouve aujourd'hui en rude compétition dans le domaine minier avec plusieurs pays, tant au niveau euh, régional qu'au niveau international. Quelles sont les dispositions de cette nouvelle loi et envers qui elle s'applique Les activités minières sont régies en République du Niger d'abord par la loi mère, l'ancienne constitution de 2010, et ensuite par des textes communautaires, notamment l'acte additionnel ACA du 29 juin 2019, relatif à l'adoption d'une loi modèle de la CDAO sur l'exploitation des ressources minières, il y a également le règlement numéro 18 23, 2003 de l'UMOA du 23 décembre 2003 portant code minier communautaire dont la révision est en cours. Il y a d'abord des dispositions constitutionnelles parce que au niveau de la Constitution, il y a une première catégorie de répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. On a une deuxième catégorie qui est relative au droit de légiférer par voie d'ordonnance et la dernière, c'est la catégorie qui est relative à la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique pour Niger. Donc, euh, s'agissant de la compétence euh, par rapport à la compétence du législateur, il ressort expressément des articles 89 de la Constitution que l'ancienne Constitution que euh, la loi fixe notamment les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, c'est-à-dire l'impôt relatif à l'exploitation, à la recherche l'exploration des ressources minérales, l'impôt relatif à l'acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des substances radioactives, c'est-à-dire seul le pouvoir législatif est habilité euh, à prendre des normes. Quel est l'objectif de cette nouvelle loi minière Elle a un double objectif. D'abord, c'est attirer un maximum d'investisseurs. Et de deux, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences internationales, parce que l'activité minière est une activité internationale. Donc il y a un certain nombre de standards qu'on doit retrouver dans, une réglementation sectorielle qui est également le code, code minier. Et de notre côté, il doit protéger également les intérêts de l'État. C'était là la rubrique hebdomadaire à nous, Nous allons encore une fois de plus à consommer de la musique. Écoutons les titres tendés de l'artiste Abdou Salam. Uh-huh.

kiɗin sarakunanmu na dauri kiɗin sarakun kiɗin sarakunanmu na dauri a gabba shi ma an buga mashi tende ga wasan shi ma an buga mashi tende da gama shi ma an buga mashi tende cikin ɗaki matan suke buga masu tende can cikin ɗaki matan suke buga masu tende a kwana hatashi akwai bayansu Et eh oui, euh, ce single a été produit en 1993 par l'artiste Abdou Salam avant la réalisation de son premier album intitulé Bayamata en 2002. Comme l'indique le nom de cette chanson, Tandé est un rythme musical joué généralement par les Touaregs lors des grandes festivités traditionnelles. Abdusalam est l'un des doyens de la musique moderne nigérienne. Il a débuté sa carrière musicale en 1984 lorsqu'il était encore étudiant à l'université Abdoumouni de Niamey. yara suna son manya suna son tunga tarihi nai tande kidin da buki tande kidin sarakuna ne tunga tarihi nai tande kidin da buki tande kidin sarakuna ne kidin sarakun kidin sarakuna muna dauri kidin sarakun kidin sarakuna muna dauri a gabba shi ma tende mamma gama shitende Après cette pause musicale, chers auditeurs, découvrons ensemble la rubrique Écho des régions tout en restant à pour parler de citoyenneté. Et eh oui, c'est nous, la citoyenneté est une valeur et aussi un comportement que chaque citoyen doit s'approprier dans toutes les situations et plus précisément en période de crise. Le sociologue Ibrahim Bagna nous définit le rôle que doit jouer un citoyen pour son pays. Suivez-le dans ce reportage d'Alamine Ouachar. La citoyenneté est une valeur et aussi un comportement que chaque membre de la société doit s'approprier dans toutes les situations, et plus notamment en période de crise, selon Ibrahim Bagna, sociologue. Le bon citoyen, c'est d'abord celui qui sait remplir ses engagements vis-à-vis -vis de sa nation. Il a certes des droits, mais il a aussi des obligations à remplir. La participation à la construction de la nation sans contrepartie, à travers le volontariat, à travers l'engagement citoyen, à travers l'engagement civique, est une forme manifeste d'expression citoyenne. Le grand citoyen en situation de crise doit être à mesure de celui qui va apporter sa contribution dans le cadre de la défense et de la sécurisation de sa patrie. Il doit être ce patriote qui à tout moment peut dénoncer des gens malveillants qui peuvent nuire à la sécurité de son pays. Le bon citoyen, c'est celui qui apporte sa, contribution à l'édification sociale et au progrès économique. C'est celui qui sait s'acquitter de ses impôts et de ses taxes. Le bon citoyen est celui qui est prêt à offrir ses compétences à sa nation et celui qui est prêt à contribuer à l'apaisement du climat social. S'il y a tension, c'est celui-là qui sait intervenir pour amener les gens au dialogue, pour trouver un terrain d'entente et trouver une solution définitive au problème. Le citoyen a des droits et des devoirs vis-à-vis de son pays et celui-ci est tenu de les respecter, poursuit Ibrahim Banya. Le contexte actuel que traverse le Niger, le bois citoyen, c'est celui-là qui est sur ses gardes. Il est sur ses gardes parce que son pays est menacé. Il est sur ses gardes parce que les intérêts de son pays sont menacés. Donc, il doit apporter sa contribution. Il doit apporter sa contribution en bon citoyen pour que son pays soit épargné d'une invasion extérieure, pour que son pays soit épargné d'une intervention militaire. Ça a été le cas des récentes mobilisations que nous avons connues au Niger qui ont drainé des centaines de milliers de, de personnes. Le vote est un devoir civique, c'est une forme d'expression citoyenne. Ça, c'est le droit politique qui confère à tous ceux qui a l'âge d'aller voter, d'aller voter pour son candidat. Dans ce contexte euh, actuel, le bon citoyen, c'est celui qui, de par ses compétences et ses possibilités, peut apporter sa contribution aussi modeste soit-elle à l'édification sociale, au progrès économique et social ainsi qu'à la paix et à la stabilité. Quelques citoyens rencontrés nous livrent leur compréhension et le rôle d'un citoyen en temps de crise. La citoyenneté fait appel aux veilles euh, sur l'intérêt général, à défendre ses prochains, à les mettre en sécurité contre tout danger. grosso modo, quand on parle de citoyenneté, on parle de la défense des intérêts généraux du pays. Donc c'est ça mon point de vue sur ce que la, la citoyenneté. En période de crise, euh, la citoyenneté doit être le leitmotiv de tous les citoyens du pays. En période de crise, chacun et chacune doit vraiment euh, prendre sa chemise de citoyenne pour défendre la patrie et défendre ses congénères, ses compatriotes. bomte borkan aga can sanga labose borga ceci gomni ni labose yanno hay kanga di ga ceci ga di labo ay di hoga wodi yang ago labi sarera inshallah lallai labi zag fatta ga labo cediro fondara ra nan im labo hauzu zama bur labo amma ga ni ga fasa ni tangam ni labo maga ni tangam ni arzaka maga ni tangam ni botara maga wodi kullu gondo fondo ni tangam maga zama iran ne be maga jabu kan borkinawi hawna alman chaque citoyen doit se donner pour la défense de son pays le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, nous arrivons à la page du sport de cette édition et notre chroniqueur sportif Asumana Amadou est avec nous dans ce studio. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Alors Asumana, la Ligue régionale de football du Niger a débuté hier à Maradi. Oui, la Ligue régionale regroupe les huit régions du Niger, représentées chacune par une équipe. Donc huit équipes sont engagées dans cette euh, compétition. Elles sont logées dans deux poules, donc la poule A et la poule B hier dimanche 10 septembre, en ouverture de cette phase finale, la poule B est entrée en jeu. Premier match, le Sonantier FC de Tilaberi a battu le National Dandy de Dosso par un score de 1 but à 0. Donc ce but a été marqué par Abdel Khaled Ben Yaya à la 57e minute de jeu. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match, c'est-à-dire au coup du soufflet final. Eh bien, le deuxième match a opposé le Nassara de Tessawa Maradi à l'équipe d'Agadez Toudou FC. Le match a, assez soldé par un nul et vierge, zéro but partout. Le match a été le plus spectaculaire en termes de jeu et de technique avec beaucoup, beaucoup d'occasions franches de part et d'autre. Au programme donc de ce lundi 11 septembre, c'est le l'entrée en jeu des équipes de la poule A. Ainsi, le Kandarga de Zender affronte la JSA, Jeunesse sportive de l'ADER du Tawa, à 14h30. Le second match oppose l'ouragan de Niamey au Lada FC de Difa à partir de 16h30. Ensuite, Soumane, quelle autre nouvelle Eh bien, toujours en football, retenons que la troisième édition du TGV, du tournoi des grandes vacances de Kwarakano de Niamey, a pris fin hier dimanche 10 septembre 2023. Le match final a opposé Nordir FC à l'Académie de quaracano À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient en égalité un but partout. C'est à la séance de tir au but que l'Académie de quaracano s'est imposée avec cinq tirs marqués contre 4 pour nord A À noter que plusieurs prix ont été décernés aux équipes et aux joueurs. Merci Soumana pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas non Oui, Mariam Arzika Damalan est un euh, chanteur traditionnel à la cour du sultan de Gobir, avec une voix euh, chavirante et très très talentueux. Euh, ces chansons sont dédiées aux chefs traditionnels, aux commerçants et certains leaders de la religion de Maradi. Descendant d'une lignée de griots, ces chansons sont hors pair. C'est pourquoi il trouve à ses comptes à travers ses prestations artistiques. Son portrait avec Issoufou Sheibou. team. ne ne arzika dan malam wanda aka yi cikin garin ekwalta ekwalta ga ta nan gabas da girin ji kaɗan in kata da mara an haihe na alif ɗari tara sittin da hudu shi wanga da gani gare ne gado ne gare na saboda wanda ya kaka ɗan ba'u da shi kuma ya kiɗi kaka ta jin mata ɗan ba'u ta kiɗi ɗan ba'u ya kidi. har duk ɗan malam wanda ya hina ya wato abin da ke gani sai a ce zamani ya ɓata zamani ya ɓata lalle akwai zamani ciki kuma makaɗa da har gani wasu na ƙin yi wasu akwai gazawa sun gari sun wasu kuma suna diban zamani sai su ga hamma sai menene to amma abin da aka so duk harkar duniya za ka ka nemi مثلا على magana to yi zancen kiɗi lalle ka gade shi to muna ɗan musali kai da wani lokaci ka fara kiɗan to lalle ni tun akwai tsoho na shi na dare na ɗora yan kiɗe kiɗe haka sa'an ana kiɗan an gayi don abokin tsoho na shi kawai nan da na wani gamar shi sha da kwari so da shi nan so zai riga mu tsoho na yi da su amma wanda a kusa gare shi ne makaɗa shi ko in sun hanga ga sallah sha da kwari tusa suna raye sai shi ɗora tsohon ɗora shi ya mutu da yan shi bai bar kiɗi ba sai shi ko ce masa a nan kana makaɗi sai ce bari in tambaye ka shi yanzu an gaye da ake kiran ka kana kiɗi yanzu ka shakka ce i eh, kwarai na zuwa shi dangi ne suna an gaya cewa alhaji aka kafar sai ya kiɗi to lalle shi ne ganin kuma lokacin da tsohon mai lokaci a kowane magajin mai shi ma lokaci sa'annan sai suna kukuta a bashi gaba tun da shi ababba amma sai wanga suleiman dotin hoto ba na nawa ya ta gaba kiɗi wanda an ka sani shi na kanta shi wanga abru magajin mu lalle amma tun tsohon na yi bai hidda ka ne bai ba da biyar ba wanda an kasa shi amma ɗan mana shi aka sani kuma muna ganin alama ila zai an ta hiza har ka zata da zai shi suka zo suka min shawara nace musu zuciya gwada ku biya ta suka ce zuciya gwada in ce to ku taimaki Allah ya na nace ko mu taimayi saboda in ba mu yi ba wanda ba zai ba mu ba shi zai ga mu magana amma duk inda tsohon mu ke zuwa mun san wannan turba mu bi ta cikin muna biyan masoyin tsohon mu ma sai mai namu ku dai a takaice maka dan hwa da ni eh lalle mun mana lagas mun gaskiya kiɗan malli ha da ta haƙa shi eh don ni na haƙa shi sannan ana yi haƙa manoma to yanzu kiɗan noma ba a so ainihin kiɗan dai na hwada ne eh, na hwada ne eh tushe can haka kan har da wucin dan zuwa dan ba'u hazuwa zuwa ga dan malam mhm. don sarakin sai ma ton bulki na sai mana shi tumbulki bulki sai maka kan dan ba'u shi ga hanan ko tsangala yake eh su sarki labo nan kaji mhm. eh sarki tumbulki to kenan muna ayi mu sani kamar kai ga yanzu a cikin sarakuna da ke akwai a cikin wace hada ce kake ake iya samun ka a ce kai lalle nan gida ne inda kake eh to lalle na hakari dai tsibiri don sarkin gobir audu bala mara hawaya min sarkin makaɗa ciki to tsibiri gobir kauta shahi tun daga cikin tsibirin zuwa saye zuwa sha da kwari zuwa gidan sori mayayi da kwaro eh, madawa har cikin sabon birni lalle duk inda ka je kata zance na state ɗin takwas sai an samu na sa sa'ar da mana. Kanda mo zakaran gida mele ɗauka ya ruwa. mayu za amai, damar da karin gida mele ɗauka ya ana sauraron waƙar ka za a ji waƙar ka ta sha bamban da ta saura me yasa eh to wannan wani amana ga Allah ne wani ya hin iya wani kuma na iya wani ya ne wani in ton mhm. waƙa haka take da ma waƙa tana sa'a ga wanda za a ma ita dibo waƙa hawa tambaye maka dido ka ja akwai wanda sai ta mun kula tan kyauta ne su kuma kula ta ta akwai mutane da yawa wanda suke mana alheri suna suna kuɗi gare mu amma sai ta ita sai ka shiga gwamnati ka ka mashi waƙa ta abun abun kyauta ce Allah ne ni na taɓa na taya Qur'ani waƙa ta ne sarrafa sai an azamu ne ta wallahi wallahi na taba ina kwana in halaka haka ta zo ne. to ke kai a takaice wajen waka eh, ba sai ka shirya ta ba kawai da ka zo wurin hajji kake shiga da waka to in dai Allah ba mu yanci ni dai ina san makamin mutum Allah da waka sai in azama ita to wani lokaci kake azata eh ga zuciya tana. a tun kana gida kuku sai ka zo ga wuri wallahi yanzu in na ma na waka ta zo min har na ba wadan gana na titar ɗinta to an ta yake saura rage saura ta rage gari. eh titar ɗin ke ba su amma saura ta rage gari. to sha'ani ne na gado tunda ka ce gaba da baya da an gado wannan waka kuma fi sabilillahi a cikin jihar gari ta maraɗi kai alhamdulillah aka zana mawaka kana ɗaya daga cikin wanda ke a sahun gaba to muna iya mu cewa waka kwalliya tana biyan kuɗin sabuni ko ko kaka tana biya wallahi ai ta bakin ɗana ce ko daga ɗana ce na sha daɗi mun gobe saurara mun gode masa Allah yan sarki kai duk mhm. ko ina mun gode Allah saka masa ne kwarai ka mhm. Allah mun gode to kyautuka ha ayi ka san shi lamari daga Allah ne ni dai lalle na ta kokarin saraki da manoma amma a ilin da aka mun fara min kyauta ta mota cikin tsirori aka fara min kyauta ta mota wata mata ana ce mata madan shirin sale a gada eh sarko sale eh sarko saki a gada ce mata sale dan shi to ita fara bani mota Voilà, mesdames et messieurs, après ce portrait très inspirant, on va passer au loti, du jour, n'est-ce pas, Mariam Eh oui, eh c'est nous, les lotis de ce lundi 11 septembre 2023, on évoque les femmes qui fuient et refouillent dans les téléphones de leurs conjoints. Nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et fouillent dans les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris le font également, mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé. À ce sujet, Rakia Arimi et Samira Rouafi. si su go fira mun gaisi wal mo kan bano a gafirin da ayya dai mataran go mataran go he alisa ni ga sabu mu zaga yayi gore salam aran sigama hey bogo nan ai sai duwano ai wo hankan gogai lakal zaguwa ne <laughs> amanto kiyan ifa no te da tirayi wo go dai ga haifo yan hantum hantum la sabu beri koi no te bogo nan ma manti hay fola sabunu hankai goce ci dai no tayim kan baga ci sugo ai ma feri ga koddo kara aman gaishe ni ma feri mata no ni tay gaddir nyam matukan ni gin kan ba siro ferin da a a man tai wonno ai fu koyo wonno girbai wo ai ga fahama sai no ba kai nufo a go fure sai haifo ga kai sabai da hey alisa ni fu koyo kan basi siro hey alisa ifo no ni go gite da wallahi ni gite don dai bai din tera fa hey ni nakkal kanan dai tora. da ai gaba ne ga wasi ga feri ai ma yeti za a mantun jirbi Irkwai mini ya fa ya dinga kal dai dinna feri ga di hankan gara he he he irkwai sai lakal kanan da sai nigin da yeti ganda nims koi ga tunan di jirbe si hini hmm, wallahi te alwati kai na agofarai sai har yanga kan ai sabai da wasika bobo hantum yan kalce yan bobo dini ce boda a gutu ne jar gano lai a asiba bai ma hankan agoci ai ga bai kan kutike kut iz fose na goga hantum ka daidai bai mai no goce cika fugai wani farora he irkoi bere ni gwag bai hankara ni ba ni min bon ketumo wallahi amante wone sibori ni fu koyo simani kani he wone man ta kulnu wadi sai no ainan kala jigbi inga ne koyi kakan bagasi su go sambuka gona matukan ni goga tabinda ni la kultunu dimbai kan ago fakarai da wandifo aga tansiyon da diabetes yan kul dan niga daman ta yadin mono nini bon taban di yamu yamu kwai ni din fu koyo dinin ni bai kan askana sai ba kaina aranga makyar dori ni na kan go aranga marasara sara hmm, chogo wallahi ni ga cim ni bai mu zaman tun kun ne go hayo bambo wati kulu ai gidi ga guna matkanu ago tegin kan baga su go ga feri halga ka samun gaishi <laughs> bante wai kuru hai kan man kwai amanto hmm, ni ga cin wallahi kimi no fa to gune don da caga wasa yadin masine nigi don da ifa hmm, man ta don da kera no kero nin da wai barai kulu kan ga ingai fu koye kan basisirai feri wa bai kan hari n'o kan ga aran gwara sara na ne bisa hai kulu yadin no cogo ai sabu gumo da kan nika irko hinna no hankan ai gidi wala hankan <laughs> don kalnim di gabdi fogo ga mo kara se no dini ai gidi hankar rani ga furo eh bogo nan wadi ne singa sambunan nan ayya ni suka ga yayi sefa ha to walla chogo <laughs> Chers auditeurs, c'était là les lotis du jour. À présent, retrouvons Jackie Dalton pour la culture linguistique en anglais et en français. Hello and welcome. Welcome, c'est le mot anglais d'aujourd'hui. Il y a deux façons d'utiliser le mot welcome en anglais et elles peuvent être légèrement différentes. Alors la première façon, c'est pour saluer quelqu'un et de l'inviter à un endroit ou à un événement. C'est comme le mot bienvenue ou même bonne arrivée en français. Par exemple, si un ami arrive chez vous pour une fête, vous pouvez le dire welcome pour l'accueillir. Welcome to my home. Bienvenue chez moi. Welcome to the program. Bienvenue à l'émission. She is welcome. Elle est bienvenue. He is welcome. Il est bienvenu. La deuxième utilisation du mot welcome, c'est lorsque quelqu'un vous dit thank you, c'est-à-dire merci, et que vous répondez you are welcome. C'est une façon de reconnaître la gratitude de quelqu'un et de montrer que vous êtes heureux de l'aider. C'est comme le mot de rien en français. Par exemple, si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qu'il vous dit thank you, merci, vous pouvez répondre en disant you're welcome, de rien. You're welcome. Allez, un petit test pour voir si vous avez retenu tout ça. Donc, si quelqu'un arrive chez vous Comment dire bienvenue chez moi? Welcome to my home. Comment dire elle est bienvenue? She is welcome. Comment dire il est bienvenu? He is welcome. Et si vous prêtez un stylo à quelqu'un et qui vous dit merci en anglais, Comment il dirait merci en anglais Thank you. Et vous Vous répondez de rien Comment dire de rien en anglais You're welcome. You're welcome. En résumé, welcome peut être utilisé pour dire bienvenue ou de rien. Welcome. That was today's English word. Thank you for listening. Merci Jackie. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Ni ne Musa eh, Badamasi wanda ake ce mani consul shugaba ne na kulab kulab da fada fada a Zandar. Eh lalle kan mun wa Allah subhanahu wataala godiya da eh, ya kamo mu ita wannan eh, studio Kalangu wanda a gaskiya muna jin dadi bisa kan shirye-shiryen da ake yi. musamman kuma da ake su bisa kan wannan harshe namu na kasar Niger kamar harshe biyal kenan a gaskiya an taɓo gabas da yamma kusum da arewa jansi zansi daban-daban na wannan ƙasa tamu kenan alhamdulahi kuma shi wannan studio kalangu eh, shirye-shirye na shi wannan a gaskiya yana ƙayatar da ni musamman shirye-shirye na wajen yara manyan gobe don saboda shi yaro an ce a bashi tarbiyya a bashi ilimi kuma a kula da kiwon lahiyar shi da sauransu kuma ba wannan aka tambo akwai fanni na wajen tsaro kasa in babu tsaro to wallahi babu inda za a je saboda su iko sun zama garkuwa ne namu a gaskiya muna ƙara yabawa da cito kalangu da ta hudu a wannan ake samu ana yin wannan shirye-shirye kuma akwai abubuwa da suke katar ne musamman da ake zuwa a iske wannan fada-fada inda mutane suke zamne a e, yi bayani da su a kai tsaye kuma ana yi ana aika a gaskiya fi sabilillahi wannan suna ƙayatar ni kuma ba wannan cikin watan biyu musamman sha uku da shi na ji an hudo sabon lokaci daga sha ɗaya zuwa sha biyu fasahe a gaskiya lokaci ne wanda Eh, ya zama ƙari ne bisa kan wancan wanda ake na biyar zuwa bakwai na marece kenan a gaskiya shi ma na an yi tunani an yi nazari da aka samu aka hudu wannan abin da muke fata wannan doka karangu Allah ƙara jan zamanin shi kuma bayan wannan a samu a ƙara huddawa wasu abubuwa wanda za su kara kayatar da mu fiye da yadda muke zama duk inda dan kurab kurab da dan fada fada yake da dan association ina gaida su suna na fatsima a da karce daga mannata to ina gaida kowa da kowa musamman zuwa ga shirin nan da ake na mata na kalangu lalle da ba mu sauraron shi amma yanzu muna sauraron shi Dari bisa dari muna so a ba shi karfi bisa ga wannan al'amari don mata su rika saurare da yara musamman ne yake kawo cika tsakaninmu da yara mata kenan a rika waye musu kai na gode kuma allah ya taimaka allah ubangiji ya ba da ƙoƙari Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sous Kalangou. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et moi-même Ali Moukelaou Seni alias Senou. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. À la technique, c'était Issa Lawali et Fanta et Kadija Isaka à l'édition.